Un kit de reportage GSM qui permet de faire des prises de son et des reportages en direct sur le terrain, par exemple, euh, d'une manifestation via un support GSM. Un deuxième aspect de format de kit qu'il s'agit ici, des kits de reportage à, à numérique de bonne qualité qui nous permet aujourd'hui d'avoir une qualité de son en tout cas agréable à, à écouter. Vous avez aussi des supports comme les ordinateurs. Un kit de maintenance vient en appui pour en tout cas soulager un peu les difficultés que rencontrent les radios en matière de maintenance